joxe na xalaat bi ñëpp ñoo bokk xalaat mooy que li fi nekkoon 40 mesures yi ñu indi kii suprême édicté woon nekku ci donc amaatul beneen code forestier bu am budul bi fi nekkal bu fi nekkal mooy 14 ñu wax boobu la ñuy wax ba léegi boobu nag bu ñu nee mën nañ koy suppi c'est que am na lu mën lu manqué li manqué mooy daay ñi doon daal daay dagg forêt doyul dañu bëgg itam ñu def benn dégg bu ñu àndee di yàq ñu def benn dégg boo xam si dañu koy daal ñoo xam dañu Voilà, je crois maintenant qu'on peut passer au jeu de questions-réponses. Euh, qui va poser la première question on, on, les questions d'abord. On verra. Monsieur le ministre, euh, par rapport à l'interdiction euh, de. C'est-à-dire, c'est la l'interdiction provisoire de délivrer les, permis de Vous l'avez dit en français, vous avez dit que comme Tant qu'il n'y aura pas la sécurité dans la zone, les permis ne seront pas accordés. J'aimerais avoir cette version. Je n'ai pas parlé de permis. En ah, Wolof. Les permis de coupe de bois. Pour pas de coupe. D'abord. Mhm, merci. Allez, puis. Fabio. At mu jot dañuy ubbi li campagne campagne fukki weer lay am war a nekk Ziguinchor Kolda Sédhiou Tamba ak Kédougou bu ñu nous ubbee mooy nit ñi ñu ko bëgg te am autorisation mën nga dem ci àll bi ñuy wuti këriñ ñuy wuti bant ñuy wuti man mais loolu dañu ko bàyyi woon tant que jàmman ci am yàquñu àll bi dañu yàq yàqum àll bi rek dafa dem ba problème kaaraange am ci te problème kaaraange fi mu gën a feeñ mooy ñetti région yi Ziguinchor Kolda ak Sédhiou bëgg njariñ nag jëlul bakkan

ont été prises pour que euh, pour permettre aux gens de je ne sais pas comment je vais le dire, mais permettre aux gens de, de ne pas euh, euh, on peut non, on a compris. <laughs> Merci. C'est une question très pertinente que nous nous sommes même posée nous-mêmes. C'est-à-dire que la suppression que ça va exercer dans, ces zones-là. Et ensuite, même peut-être des risques d'une insuffisante, d'un approvisionnement insuffisant en état de la qualité. Mais nous avons dit que c'est une mesure transitoire. Et l'intention la plus ferme, c'est de faire en sorte que cette suspension soit la plus brève possible pour en pour en amoindrir les conséquences dans la ressource et les conséquences. Mais pour le moment, il y a des circonstances qui nous imposent à suspendre. Et que dès, que ces circonstances reviendront à la normale, la suspension sera là. Je passe le micro à Youssouf euh, Voyant de RFM. Vous pouvez vous présenter Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je m'appelle Youssouf Voyant, journaliste à Radio Futur Média. Alors, moi, ma question concerne les comités de vigilance villageois pour les euh, des, euh, notamment dans le sud du pays. là, on a vu une convocation de, membres qui appartiennent à ces comités-là, euh, qui sont aujourd'hui, qui, qui défilent un peu à la gendarmerie, qui sont entendus. Euh, il y a des gens qui ont parlé de règlement de compte dans ces comités, les gens qui sont venus s'attaquer à deux fois. Moi, je voulais savoir quelle est aujourd'hui l'approche qui existe de collaboration entre ces comités-là et les jeunes forêts Est-ce qu'il y a un regard qui se fait par rapport au, travail euh, que ces comités-là font dans le grand forêt euh, Est-ce que, Parce que l'impression que ça donne, voilà des gens qui peut-être euh, ce qu'on fasse de manière impuissante à des gens qui viennent piller le forêt, qui s'organisent à leur niveau pour se défendre. Je voudrais une réponse là, dans ce sens-là. L'autre question, c'est par rapport à ce bois quand même, c'est le bois qui est coupé et très souvent exporté dans les pays moment, ça a été euh, la est que euh, par rapport aux informations dont vous disposez, vous pouvez confirmer qu'il y a des, des, étrangers qui sont de l'autre côté et qu'est-ce qui est en train de faire avec le gouvernement Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc la question est à, deux sujets. Le premier sujet, c'est effectivement les comités villageois de défense qui ont l'intention très loin de préserver le foyer. Je pense que pour l'essentiel, ils ont dû travailler avec les frères. Mais ces comités villageois, parfois aussi, se font justice eux-mêmes. Et souvent, ces tentatives de se faire justice aboutissent à des bagarres au décours desquels certaines personnes se sentent agressées physiquement vont chercher un certificat médical à partir duquel on poursuit ces, comités de villageois-là. De la même façon aussi, les actions sont intentées contre ceux qui sont venus agresser la forêt. Donc c'est des deux côtés. Mais je ne peux pas imaginer qu'un comité de défense villageois ait une telle puissance de feu qu'il soit capable de faire ça. Et que de toute façon, quel que soit le comité du village ou la sécurité du pays relève des services compétents du pays qui sont en train aucune raison aucune structure ne devrait se substituer au service régulièrement cause de l'État dont la responsabilité est de caractère. Maintenant, par rapport aux pays voisins, il faut enlever le mot exportation vers ça. Il ne s'agit pas d'une exportation parce que c'est par l'emploi. Et de fait, c'est du C'est pour cela que la coupe est plus intense dans les zones frontalières avec la C'est le tout et le Vietnam les gens coupent le bois, traversent la frontière, les vendent aux Chinois qui les réexportent à partir de la Gambie. Et depuis que la dame a commencé à collaborer de façon franche, ils savent que les Chinois sont en train de décapiter. Donc, cette destinée est en train de s'éteindre. C'est pour ça qu'ils sont entrer train d'ouvrir une autre destinée à Guinée-Bissau. Mais le problème de la Guinée-Bissau, c'est qu'il n'y a pas de tout sur la mer. Donc, réexporter à partir de la Guinée-Bissau, ça devient plus compliqué.

du saytu boobu nag day def léegi léeg ñu demal na bay fajal seen bopp te fajal seen bopp république na moom donc bu ñu xeexee nit ñi ba kaay leen bu ñu demee am na tey jii bu ñu ko docteur bi jotee rek attekat yi dootu amati dara ñu ngi tàq loolu moom lu am la mais ni am seen bi ñu ñëw jàpp àll bi am na ñu jëm jàpp mais li nga xam tam xel mënu ko nangu ngeen di comme si défense villageois yi yor ay ngànnaay yi man tax nga def li ñuy def loolu tax man mënu ma yaakaar ne comité village défense village bi moo def loolu ndax mënuñu ko bëggee jëluñu nga nañ ko beneen bi ci des mooy bant yi ñu ko daj fu ñu koy jëmale wax dëgg moom mooy dee fan dagkat yi bant yi dañ koy dagg parce que am na foofu ñu ko furi boobu ñu jënd Chine la dégg dégg naa Chine sax Gambie la parce que chinois yi ñoo nekk foofu di jënd bant yi saa ne parfois dañ leen di dimbali ci wàllu xaalis bu ñu dem dagg parce que bant yi njariñ li ci nekk yaakaar naa ñun Sénégal sax am na lu ñu desee xam li muy ci donc Gambien yi Gambie ba ñu ñëw dimbali nangu la dimbali ba léegi chinois yi ñu ngi ko tàmbalee xam yaakaar naa am na muy dem donc yoon woowu moom ma ngeen ko sakk moo tax ñu bëgg a jëm Guinée Bissau mais Guinée Bissau bu baax ndax nan nga dañoo ànd ak Sénégal xeex mais bu ñu nee foofu amuñu port lu tax ñu

On a entendu ici les, Pays-Bas, des dates qui font vraiment peur. Moi, la question que j'aimerais poser aujourd'hui, concernant les mesures en matière de réforestation, on a entendu des projets ministère parce qu'on ne va pas attendre que ces forêts soient carrément pour les réformes Maintenant, dis quelles sont maintenant les mesures que vous avez prises dans le cadre de vos projets et quand est-ce qu'on peut voir ces projets euh, déroulés au niveau du Sénégal pour donner euh, le blason à ces forêts qui sont carrément parce que quand le pays va reprendra la parole et qu'il vous expliquera ce que c'est qu'un aménagement, vous comprendrez que nous avons été dans une discussion permanente de faire vivre la forêt. Il ne s'agit pas de reforester, il faut maintenir la forêt telle qu'elle est. Et l'aménagement est le moyen d'atteindre cet objectif. Euh, c'est tout d'abord. <laughs> Euh, bonjour à tous. Euh, monsieur le ministre. Euh, bonjour, je suis Rouyadouba de la RTS. monsieur le ministre, qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans les deux textes, le code forestier et le projet de code Et si c'est au niveau des sanctions, comment cela va se présenter Puisque vous avez dit, vous allez aider pour que les, peines euh, soient euh, euh, durcies. Et puis, le colonel Pays-Bas est revenu sur les recettes générées par l'exploitation des ressources forestières, notamment en Casamance. Est-ce que vous avez suffisamment pris en compte les effets sur les populations qui vivent de ces activités et même sur l'approvisionnement de nos localités en produits mieux comme le charbon Merci. Merci parce que l'esprit du nouveau code, c'est de mieux prendre en compte ce phénomène qui s'aggrave de jour en jour, qui est l'agression permanente de la justice forestière, parce qu'il coupe les arbres précis qui sont même de fait protégés par le code forestier. Et c'était un délit. Et un délit appelle des sanctions. Et dans l'ancien code, ces sanctions était relativement légère. Et comme ce qui s'est fait avec le vol des bétails, l'objectif de la présente réforme, c'est de durcir les peines, et créer de nouvelles peines. Les nouvelles peines, c'est peut-être le délit aggravé par le trafic de bois et l'association de malfaiteurs pour le trafic de bois. Parce que ce ne sont plus des actions individuelles, ce sont des actions organisées par des groupes. Et ça, effectivement une situation Tout est en que nous renforçons l'arsenal juridique pour faire face à cette chose qui est inacceptable. Bonjour tout le monde. Euh, monsieur le ministre, dans votre... pas hein? Non, allez-y. Ah, dans votre communication, c'est moi du journal Oui. vous avez dit dans votre communication que le code dont on dispose toujours c'est le code de 1998. Qu'en est-il du code du 17 octobre 2017 qui a été donc voté et dont le projet d'application est déjà disponible et voilà, comme vous le dites, dans l'exposé des motifs de ce code-là, il est bien indiqué que euh, l'un des objectifs poursuivis, c'est euh, le renforcement des sanctions. Et vous en reparlez. Est-ce qu'il s'agit de la révision, euh, de cette révision de 2017 ou bien de la révision du code de 2017 Sinon, par rapport aux causes euh, de, la théorie de Bofa. Est-ce que l'État n'est pas en train de noyer le chat en prétextant euh, le bois Alors que tout le monde sait que, en tout cas, il y a des spécialistes qui ont évoqué d'autres questions comme étant à l'origine de ce massacre. Est-ce que l'État n'est pas en train de noyer le chat Je vous D'abord, la première chose, en ce qui concerne les douloureux événements de Bofa, je m'abstiendrai d'en parler dès lors que la question est prise en charge par une enquête. Attendons et l'enquête aboutisse et les résultats seront livrés publiquement. Il ne faut pas aller plus vite que la mission. Cette question, c'est que je peux dire. Jusqu'au jour où je vous parle, l'arrêté comment a été signé, la loi sur laquelle ça se référé, c'est la loi 98 On n'en connaît pas une autre qui a subi une structure de validation. Quand autre chose sera validée, on se référera sur ça. Je n'en connais pas. Merci. Donc, on va prendre encore deux questions et euh, le temps, voilà, pour arrêter. Si vous avez connaissance d'une loi validée, je serai curieux et content de les découvrir. dis bien validée. Je ne parle pas de projet de loi ni de projet technique. une loi mise en application et qui cite dans les textes. Non, on a parlé de révision de code. n'est pas révision de code. la révision est déjà en cours ou bien le processus. Je vous parle de la langue française et je pour avoir été suffisamment clair sur cette question. Il y avait une nouvelle loi qui était là, qui était insuffisante par rapport à l'action que nous voulons entreprendre. Nous, allons la modifier de au fin c'est de plus opérationnel par rapport à nos objectifs. Euh, Monsieur le ministre, j'avais deux questions. La première est de savoir, en 2015, le président de la République avait annoncé des mesures pour lutter contre le trafic de bois. Qu'est-ce qui, qui, a été fait depuis lors Excusez-moi, je parle. Je suis distrait par Vous pouvez répéter, s'il vous plaît Je suis là. Oui, je vous demande de répéter. Ok. J'avais deux questions. La première est de savoir qu'en 2015, le président de la République, Matissal avait annoncé des mesures pour lutter contre le trafic de bois à 15 mars. Qu'est-ce qui a été fait depuis lors La seconde question est de savoir, Monsieur le ministre, dans la région de Chiginchor, les bandes armées, qui s'activent dans le trafic et, délivrent leur propre permis de cours. Avez-vous pris en compte cela dans votre politique La première chose, c'est de recadrer les missions du ministère et des eaux et C'est une mission de politique, de police forestière et de gestion et de pérennisation. Il y a d'autres missions qui sont des missions de sécurité qui ne sont pas du domaine de notre compétence. Et il faut vous assurer que avec de la patience, vous allez tout connaître parce que l'inquiétude suit son cours et ça avance. Oui, oui. Oui, non, je suis dit allez, Je réponds par la première question concernant l'action qui consiste à délivrer des permis hors autres que ceux que doivent délivrer les Ça, ce sont des règles de sécurité qui sont en train alors, par rapport maintenant à la question de la lutte contre le trafic de bois, depuis 2015, effectivement, choses sont faites. Peut-être que la communication n'a pas été suffisante pour que les résultats soient ici. Peut-être que. Mais en tout cas, il y a eu un recrutement de personnel qui est déployé dans la région. La logistique est renforcée, même si elle est encore insuffisante, mais il y a eu des efforts qui ont été faits. Et il y a des partis mixtes dans lesquels interviennent, en plus des eaux et forêts, l'armée et la gendarmerie. Et tout cela aboutit aux statistiques que le une dernière ah, question. en fait, moi, je voulais, Aïcha de la TV, moi, je voulais juste, monsieur Ning, vous avez parlé d'une suspension brève. Or, la, la, la, campagne va durer 12 mois. Donc, en parlant de 6 mois. 10 mois, voilà, 10 mois, je me Alors, combien de mois, disons Je n'ai pas dit suspension brève. Ah j'ai dit suspension transitoire et on se donnera les moyens pour que ce soit le plus bref possible. C'est ça que j'ai dit. <laughs> limité dans l'espace. Comme... Mais l'espace », l'espace implique la limitation dans le temps. C'est du français, non dans l'espace ». Oui. Mais c'est la même chose. Bonjour. C'est eh, si c'est Dakar Actu. Ma question est destinée euh, au colonel Pays-Bas. Euh, euh, on a essayé de vous joindre en cas de mais ce pas possible. en fait, le reproche qui est souvent fait aux zones forêts en casement, c'est que euh, vous ne vous limitez qu'aux axes routiers. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne se pose pas le problème d'accès dans la forêt même Parce que euh, là aussi, ça s'est passé, est-ce que vous avez accès à ces, à forêts-là pour quand même prévenir ce qui s'est passé à vos papayos? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment les moyens de, de, de Merci Avant, que je, je réponde, je pense que c'est la dernière question la parole pour répondre et ensuite enchaîner sur les, projets et les retentissements sociaux qu'il y a sur les projets, vous expliquer certains détails techniques qui vont prouver qu'il qu ne s'agit pas de la reforestation, il s'agit de la pérennisation de la forêt. Euh, c'est l'une des plus vieilles administrations de notre pays, qui date d'avant les téléphones. C'est aussi le service qui est le plus déconcentré de l'État du Sénégal. Dans toutes les régions, vous trouvez des régions des eaux et forêts. Dans tous les départements du Sénégal, vous trouvez des agents des eaux et forêts. Dans tous les arrondissements du Sénégal, vous trouvez des agents des eaux et forêts dans tous les, dans tous les triages, dans les gros villages, vous trouvez des agents des efforts. Nous sommes le, le plus déconcentré. En Casamance, si les agents des eaux forêts ne se limitaient aux axes si en Casamance, les agents des eaux forêts ne se limitaient qu'aux axes il ne faudrait pas ces procédures. Il ne faudrait pas ces résultats. Justement, c'est parce qu'ils sont les, dans les points les plus reculés qu'ils ont pu faire ces résultats. Cependant, nous sommes dans une région où il y a des sécurité. Il y a des zones aujourd'hui où, vous savez, il y a des mines, par exemple. Ce sont des zones estampées rouges auxquelles, naturellement, un agent accède difficilement. Il y a à peine deux mois, j'étais entouré dans les région de Je suis allé jusqu'à Xinjiang. Xinjiang, et on me disait que, mais écoutez, mais personne ne vit ici. Mais si c'est un